merci pour votre fidélité l'aventure n'aurait pas été si belle sans vous mun de kuma muna tare kun san ya fara à tout cela s'ajoute le changement de nos habitudes alimentaires et c'est là que plein de jeunes se frottent les mains grâce à la forte consommation qui pour se lancer dans un commerce saisonnier wasu yake Certains parmi ces jeunes entrepreneurs dans l'agroalimentaire sont des étudiants. Munleko ana jamera abu muni, mun ji labarin akwai 'yan kasuwa na musamman. Ƙwararrun 'yan kasuwa za a cewa musamman an azumi ya fara. To, on aimerait bien savoir me est-ce que c'est dans lokacin na azumi, kuma yaya ne kasuwar qui ci a azumin bana? C'est quoi les tendances? Comment ils ont innové cette année? Et enfin, si c'est une affaire qui roule bien. On en parle à cette fois d'installer... euh, sous l'un des manguiers euh, du campus universitaire avec Souley Nifati. Elle est étudiante en économie et également. Des jus naturels. Ok, les jus naturels. Oui. Nous sommes avec Jayambo Pana. Abdul Nasser, il est étudiant en agriculture. Oui, également, je, vends des costumes, des, tissus pantalons, je vends des chaussures et je vends aussi des humidificateurs, surtout dans le ramadan des humidificateurs, des bassins, premier et deuxième. Et je cherche aussi des partenaires, genre des, amis et des camarades qui veulent avoir une, couture à, moindre coût. Ok, donc avec toi, on prépare même la fête au fait. Voilà. Ah, au-delà du <laughs> D'accord. On peut dire ça. Nous sommes euh, bienvenus sur cette émission. Nous merci, sommes avec merci beaucoup. Mamoudou Amadou Arafat, il est étudiant au département d'anglais, mais également businessman dans... dans... Nous sommes couturiers. Ok. Oui, nous sommes aussi dans la vente des, textiles. D'accord. Toujours. Toujours. Oui. Donc avec toi, on peut préparer la fête aussi. Oui. Super. Avec nous à cette fois-là, nous sommes avec Abdoulaye Zaidou. Il est étudiant en chimie fondamentale et businessman dans... Vente des baskets et des ananas dans ce mois de Ramadan. Ah, ok. Ça rafraîchit, hein <laughs> Mais voilà, da su zamu wannan hira eh abga mu na fara dan kun sani dama fara tamu ko da kitin azumi na muna tare da yan karkaran mu. Nous aurons la rubrique close de l'émission Tous à la Fada et la chronique qui sera présentée par Mr. Oli. Top, c'est parti. Daga Asmi ya gabato, muna ganin bisa kan yanar gizo wasu sabon 'yan kasuwa da mai sai lemu kala-kala ou encore des plats à emporter pour les ruptures ko kuma kayan ɗimkawa wanda za a shirya sallah da su ku dai yanzu zan zo dai ga tambaya ta ta farko dabar ina so in sani wai ku dama kuna cikin kasuwanci ne koko kuma dai business kin wannan naku sai sezoniye ne sai a lokacin du ramadan zan fara da ke fati saba fati business kin ki na azumi ne koko dama ki ai kasuwa ci a a ni dama ai kasuwa ci okay oui. même en dehors du ramadan je continue le business okay oui. je fais des jus naturels en plusieurs variétés, des abayas et des tissus aussi pour hommes. Mais zo na kusanta mais pastek da anana C'est un ya zo ne kake shiga wannan sayar-sayar koko daman dai wannan c'est da anana ya zo ne ke yin su and de ça, le mois de Ramadan se passe, je lance dans d'autres activités qui font recours aux saisons.

Euh, avant, avant le ramadan, les gens ont du mal à, à, à lancer leur commande de, des humidificateurs, mais cikin azumi gaskiya na samu mutane da yawa. Ok. Ici à Niamey et même à, comment dirais-je, dans, la, dans, la, dans les autres régions en fait, du, du Niger. To kai ma kuma, eh, Arafat, Tu sai da yadin naka. Amma a wannan lokacin ya ne akwai wani canji da kake ji a wani lokacin cikin activity naka kai ma kare da a ciki <coughs> oui oui akwai mhm. canji sosai mm. parce que maintenant la, de, la demande euh, est plus important est plus importante mm. parce que par, par, exemple la fête là qui arrive les ouais. gens les gens font plus de commandes de, de couture et des des, des, des costumes pour leur pour leur pour, pour la fête yanzu wannan na jikin na kai ka dumka shi eh ni ne na dumka shi

Ah, d'accord. Oui. Ok. Par, rapport à notre communication, d'autres étudiants arrivent à, faire, à lancer des commandes auprès de nous. Hmm. Bon, pour dire, pour dire un peu, la vie de, l'étudiant est un peu, un peu difficile. Quoi. Ouais. C'est chaud. Les on moyens peut, sont. on ne peut pas se permettre de belles tout le temps. Un peu limités. Ok. C'est ça, ça, les difficultés pour les étudiants. D'accord. Fatih, et toi, ta, ta clientèle, c'est Souai. Kema étudiant qui ne koko ham mutanangari. La plupart en euh, mutanangari na. OK. Mm. Les hommes d'affaires euh, ouais, qui suke pose des génies mm -hmm. de, des génies hakanga ou bien pour la rupture. Okay. C'est eux qui commandent. Mm, ce qui commandent. Eh oui. pastor kai kuma a campus kake eh a campus ne kike nan la majority ce son da yake cikin unguwanni ba su ba su iya ganin eh. pastor kenan naka ba su iya ganin kular ke shi ma an tuka an tuka na etudiant ne na etudiant ne eh technician mm, insha Allah musamman ma na etudiant ne wanda kake mm. yi kai sai dai in ka zo daga passage wannan kana iya samu mm-hmm, mm-hmm. mu da yanzu dai mun gane dai a wannan jami'ar dai ba karatu kadai ba har kasuwanci ma kun kwara kwarewa a ciki <laughs> kun har kwarewa a ciki da mutanen da ke business team, ba mm. su à À force de voir tes amis ton entourage fait le business toi-même souvent ça te pousse à te poser des questions gars, il fait le business là Est-ce qu'il arrive à, à, à s'auto-suffire, à satisfaire ses propres besoins. Donc pourquoi moi Pourquoi je ne vais pas me lancer Da ne ce mutane suka lancer dans un business comme alhamdulillah yanzu E, ina iya cewa 60% duka sun zama business daga mai sai da tc sai mai sai da gazanar sai mai sai da takalmi sai mai sai da pastek mai sai da furwi wayansu suna sai da akwai ma masu sai da kaman abin ga abinci dai na ci da haka labarin wata da na jima a nan ga hada ma da asuba da asuba take sai da abin sa eh maryama a sunanta ok ba mu same ta ba da yanzu na san ko tana kwana ko tana cikin saye sayen kayan miyan nata to tana dai tana cikin shirye-shirye kun san maryama mace ce mai kokari ni na santa ni na ina ma cewa na iske ta cikin wanga jami'a mace ce da mai kokari tun da na zo kullum cikin kwamba ne take ben, Ça, c'est bien ça. Alors, franchement, on félicite vos initiatives, on vous encourage. Oui. Oui, nous aussi, nous avons, nous avons créé un petit restaurant là-bas, à la cité annexe de l'université là-bas. Ça, c'est juste pour le ramadan non, c'est, c'est, comment dirais-je, à temps, à temps plein. Ouais, donc même après le ramadan, le restaurant il continue à tourner. Mais ça c'est bien ça. Franchement, on encourage vos initiatives et on va faire une petite pause avec la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada. On se reprend juste après. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Chers amis de la rubrique Rose, dans ce numéro, nous braquons les projecteurs sur ces petites sauces qui accompagnent nos plats de salade, de friture et même les grillades. Les vinaigrettes donnent ce petit goût en plus. Qu'elles soient discrètes ou surprenantes, elles peuvent aussi se relever piquantes, douces ou sucrées. Nous avons recueilli pour vous plein d'idées pour faire vos vinaigrettes maison. Comment faire une vinaigrette facile, rapide et surtout maison. Osez des vinaigrettes originales qui apportent une vraie note en plus à votre salade. Aromatisée à la tomate, à la menthe ou même à la mangue. La base de la vinaigrette, c'est l'huile. Au moins un ingrédient acide, jus de citron ou vinaigre et des aromates, sel, épices, herbes. Pour varier les saveurs de votre vinaigrette, vous pouvez varier les vinaigres et varier les huiles. Parlons des vinaigres. Nous avons le vinaigre blanc basique, nous avons les vinaigres de cidre ou malt, plus fruité, le vinaigre balsamique sucré et très aromatique, très connu des gastronomes, le vinaigre de riz pour la cuisine aux saveurs asiatiques, on en trouve dans certains magasins à Parlons à présent des huiles. Il y a deux grandes catégories, les huiles neutres les huiles parfumées. Les huiles au goût neutre l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, l'huile de colza, goût plus soutenu. Nous avons les huiles au goût parfumé, l'huile d'olive fruitée, l'huile de sésame, saveur grillée, mais aussi les huiles qu'on aromatise nous-mêmes, fait maison. On peut les aromatiser à l'ail, au basilic, aux épices, au choix, vraiment. Maintenant, passons à quelques astuces. Que faire si votre vinaigrette est trop acide Ajoutez à votre sauce vinaigrette une cuillerée à soupe d'huile, une cuillerée à café de lait et une pincée de sucre. Vous pouvez aussi glisser une grosse boule de mie de pain sous la salade et attendre 5 minutes. La mie va absorber la vinaigrette et surtout le vinaigre. Retirez-la, ajoutez de l'huile et le tout réjouit. En bonus, vous pourrez donner plus de goût à vos vinaigrettes en y ajoutant des aromates hachés. Ail, oignon nouveau, céleri, persil, basilic, en hausa kahi ou en zarma koragabu relève vraiment la vinaigrette. Enfin, pour la conserver, versez votre vinaigrette dans un récipient hermétique comme une bouteille vide ou un bocal en verre. Placée au frigo, vous pouvez la conserver plus d'un mois. C'est tout pour euh, l'espace cuisine. Passons à présent à la beauté, Mariam. Oui, bébé, aujourd'hui, on va parler de quelques astuces pour sentir bon tout le temps. Ah, ça, c'est important, ça. Ah oui. Un, hein, c'est laver les zones qui transpirent. Se laver régulièrement est indispensable pour sentir bon, surtout quand il fait chaud. Mais il ne faut pas se laver n'importe comment. Pensez à laver impérativement les parties du corps qui transpirent le plus. La mauvaise odeur corporelle est en effet due à la prolifération des bactéries qui raffolent des zones humides. Pour les déloger, il faut se laver. 2 laver ses cheveux régulièrement. Il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours pour être certain de ne pas sentir mauvais, mais une à deux fois par semaine est indispensable. Quand vous vous lavez les cheveux, pensez à bien masser votre cuir chevelu afin de faire disparaître toutes les peaux mortes qui accumulées pourraient dégager de mauvaises odeurs. 3. Soyez ses pieds. Quand il fait chaud, il faut avoir une attention particulière pour ses pieds. Ils transpirent souvent beaucoup et quand ils sont confinés dans des chaussures en toile, ils peuvent vite sentir mauvais. On pensera donc à les laver régulièrement et à utiliser du bicarbonate de soude ou du talc. Le talc, euh, Mariam, c'est la poudre des bébés, là. Ah tu la poudre blanche, là. OK. Hmm. Pour supprimer les odeurs des chaussures fermées. 4. Être bien épilé. Les bactéries auront en effet moins de chances de se développer dans un environnement de de, de poils. Cela ne veut pas dire qu'hommes et femmes doivent se débarrasser de tous leurs poils, mais retirer les poils des zones les plus à même de transpirer n'est pas une mauvaise idée. Merci, Mariam. En tout cas, ça va aider plus d'un avec cette chaleur. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain sur la rubrique rose du studio Kalango pour encore plus de bons plans. Hello, greet everybody for you. Party just shake shake belly. Mo ti sọ fún deliver like I get belle. J'aime say I dey go sell o. say I dey go sell o. Let's be C'était la rubrique rose de l'émission Tous à la Fada. Amis jeunes, on revient ici au campus universitaire. Yau na muka dora fara tamu don mu hira tare da yan jami'ar wannan wannan gurin. Mun ji suna kasuwanci daga mai sai pastèque. kankana sai mai sai da lemu kala-kala sai mai sai da yaji da kayan sanyi su humidificateur sai mai ɗinki kai ku dai abun dai daban sha'awa muka zo yau mizance bisa kan wannan kasuwanci nasu da suke mu ji koya ne suke tahiyar da shi a wannan fadar ina tare da Sulai Sani Fati, elle étudiante en économie, ina tare da Jayan Bopana Abdul nasir shi kuma étudiant ne a nar culture, kuma yana cikin sayar da sayar da yari, ita kuma tana cikin sayar da lemu. Ina tare da Muhammadu Amadu Arafat, shi kuma étudiant ne a eh, nangle Mais également, galiman shi ma na cikin harkar sai da yadi ina tare da abdullahi maje za'idu étudiant en chimie fondamentale et le roi de la pastèque sonic comment vous procédez pour livrer vos produits fati ko ko kina da wani Quoi ne ko ko a gida ne ko ya ne kike kina sai kayan non non la production je fais ça à la maison mais pour la livraison j'ai un livreur ok oui c'est lui qui me fait la livraison aux frais des clients. Hmm. Donc si la personne achète euh, les jus ou bien les tissus, genre euh, une fois que le livreur les a livrés, c'est au client de payer le prix de la livraison. Ok. Hmm. D'accord. les kenan kina kai kina da wanda za a dinga kai ma kai kuma ya ne ina zuwa katako ne ina yi wa exporting shi sai in zo in rarraba ma yara wurare wurare suna fakewa a marici ya yi lokacin rupcir kenan eh kamar sai ka zo in ka siyo su sai ka gyara kayan yanka ne ka wannan ina yayyanka saura saura ban wa saboda yake akwai masu sayan yankakke kuma akwai in ba su sayan eh. wanda ba yankakke ba mm. C'est un kaiwa bâtiment par bâtiment Non, non, c'est pas un bâtiment par bâtiment. C'est un lieu spécifique qui gère. Un point de vente? Oui, un point de vente. Un ake zuwa a Bon, ni de da qui na akwai un da c'est des gens qui travaillent qui ba su le dama pour se déplacer. Donc tout se passe en ligne dans le téléphone tantôt, dans le WhatsApp tantôt, dans le Messenger. Mm. Est-ce que vous voyez, c'est là-bas, on fait tout. Il y a les échantillons que j'envoie à la personne. On, conclut le marché. S'il y a le frais de la livraison, on le met. S'il n'y a pas frais de la livraison, genre, dans le prix, je me retrouve et que la personne veut vraiment qu'on lui livre le, produit. Ni de Kenani. ni de soit ni da kaina ne ke livraison jamais le, le produit euh, karbi kuɗi na sace aljihu in dawo Okay. sai kuma ça sa su da kai kuma kaci kanti gare ku kai kanti ne gare ku to yanzu kaman har ka restaurant kin naku mutum ya komande kuma kuna mishi livre anan batiman kin shi ko koya ne ake ko mutum da zai tashi dai restaurant kin c'est possible mais c'est pas aussi évident okay. parce que là-bas c'est un peu loin d'ici mm. c'est juste au niveau de Kirksey. OK oui donc, c'est fait spécialement pour les étudiants de là-bas. Ah, Mais un temps là, on avait prévu de, d'ouvrir une option là pour pouvoir livrer des plats. Mais ce n'est pas aussi évident puisqu'il n'y a pas assez de, demandes. Donc, on a hmm. abandonné cette idée-là. Du coup, maintenant, c'est uniquement pour les étudiants qui logent là-bas. Oui, qui logent là-bas de l'autre côté. Oui. Ok. C'est ça. parlons chiffre d'affaires. <laughs> Comment Est-ce que c'est une affaire qui roule bien Là-bas oui, là-bas, la restauration et ce que tu portes, <laughs> la couture, les tissus et tout. Oui, bien merci, ça marche très bien. Ok. Vous en sortez bien Oui, oui. Parlons gain. Fati, comment ça se passe Ça donne bien les jus naturels Oui, côté jus naturel, ça donne bien, alhamdulillah. Ok.

an gode Allah abun yana tafiya sosai insha Allah a kare yanzu mm. ana samu dai a wani lokacin ana samu a gwargwadon hali insha Allah mm. Mm. ka eski mahina tambaye ka Abdul Nasir le boss <laughs> le boss ne boss alhamdulillah balle cikin azumi moni moni Allah ya saramtar wow Wallahi. Ça, c'est bien ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a avant le ramadan Souvent, les commandes, tu peux faire une semaine sans recevoir une commande. Est-ce que tu vas Mais dans ouais. le ramadan, là, tu ne peux pas faire deux jours. Ouais. Sans que quelqu'un te touche. Eh, un tel, ton truc là, c'est disponible. Parce mm-hmm. que qu'on gagne. Bah, bah, qu'on a bien. Wani bai cire ka ba ya ce ya ne kayan nan ha akwai shi. Mm. Akwai shi kuma en même temps ni vous parlez à faire et puis voilà. Ouais, ouais. Soit tu te déplaces, soit la personne se déplace, il vient, il avance. Il prend son, son produit et puis voilà. Mais c'est bien ça, ça c'est une bonne nouvelle. Nous on aime bien entendre ça, que les, les jeunes ils s'en sortent dans ce qu'ils entreprennent. Voilà, donc on a l'espoir que euh, tout le monde va, va pouvoir se réaliser dans ce qu'il entreprend. Je vous propose en musique Espoir de Big Abdel et on se reprend juste après. Les de que je ne mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne mon frère. Où que tu sois, ici même ou quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil. Et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale Inspirons-nous de ce mystère naturel. Afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille. Remercie Seigneur car il a toujours aimé pour ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va te plume les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde vous comme on s'en taille. Machala, irgıza da dir koy bay. Yaka fasino, irgıza da dir koy bay. Machala, irgıza da dir koy bay. Yaka fasin, irgıza da dir koy bay. Machala, irgıza da dir koy bay. Yaka fasino, irgıza da dir koy bay. Machala, irgıza da dir koy bay. Yaka fasin, irgıza da dir koy bay. Stay wo si no nyeze arasa kufondo Irkoi wano Sifari gagoi Chechi koi Inganda dungo no hanfoi Sipai kanasi te Yalwaga matun gagoi Irmugabo sugai Irkotala no girga Hey Irmugabo sugai Sugata no Gaugata na wa hey Yeah man koibai mashallah irgazada dir koi bai, koibai nyaka fosi irgazada dir koi koibai mashallah irgazada dir koi bai, koibai nyaka fosi no irgazada dir koi koibai mashallah irgazada dir koi bai, koibai nyaka fosi irgazada dir koi bai. koibai sarina dunia komida lokaci tazamo talakai wantanda arziki babu mamaci Allah ya bani ni tun da bai da bambanci wannan musan da shi musani ya ga aiki mu mai da hankali mu ɗan komai da zuciya guda mu tanadi musa hankuri wata rana sai ko labari mu tawakkali ga Allah ubangiji inda rai da lafiya saka cin magorinka inda rai da lafiya dan uwa saka cin magorinka hey wato idan ka dangana za ka cimma burinka wata idan ka hankura dan uwa za ka cimma burinka masha Allah irga za da dirkoi ba ya ka fosi no irga za da dirkoi ba masha irga za da dirkoi ba ya ka fosi irga za da dirkoi ba masha irga za da dirkoi ba ya ka fosi no irga za da dirkoi ba masha irga za da dirkoi ba ñàkk foosin que apprécie ta petite fille et remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes tu partiras jusqu'au fond de cette ciel right c'était Big Abdel, c'était euh, Espoir. On a vraiment l'espoir que nos jeunes entrepreneurs soient dans une affaire qui roule bien je viens à ma dernière question de cette émission. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Je suppose que chaque activité a son lot de défis. Arafat. Bon. Qu'est-ce qui coince dans ce que tu fais Les difficultés, mhm. c'est au niveau de l'État. Ok. Si vous avez l'ambition de créer une entreprise, c'est tout un problème. Parce que pour avoir une place, l'impôt, tout ça, c'est pas facile du tout. Ah ouais, surtout l'emplacement, parce que l'impôt, là, avec, euh, je crois que pendant deux ans, ça a été allégé, non Pour les jeunes entrepreneurs, ça a été allégé les taxes pendant deux ans Oui, oui, mais il y a aussi les panneaux publicitaires et autres. Il y a plein de trucs qu'ils vont te demander. Souvent, là, c'est ça, c'est ça qui pose la plupart des difficultés. Ce qui fait que souvent, vous voyez, vous allez voir, il y a des, il y des gens qui, qui ont l'ambition de créer, mais ils vont devenir bilan ils ne pourront pas se positionner, ils pourront pas avoir de local. Voilà. C'est ça en fait. Et le fait d'être ambulant là, ça, fatigue trop. Ça demande trop d'énergie. Et quand tu, es, quand tu es positionné, là, tes clientèles sont sécurisées. Ils sont sécurisés et, tout le monde est repéré. Voilà, tout le monde est repéré. Mais quand vous voyez maintenant, pour il y y a plein de difficultés. <coughs> Il y a plein de difficultés par rapport à à la création de l'entreprise ici. Hmm. Voilà, toi, ce qui te pose problème. Et eh, Fatih, toi, c'est quoi les problèmes que tu, tu rencontres dans ce que tu fais Les problèmes, ça ne manque pas. Tout d'abord, euh, il y a quelques clients qui trouvent euh, les produits chers et aussi les études avec euh, le business. C'est un peu difficile. Ouais, ouais, ouais, ouais. Oui. Mais qu'est-ce qui fait cette charité-là C'est-à-dire, euh, les ingrédients même qu'on achète sur le marché, c'est cher. Donc, voilà. Donc hmm. le temps même de venir euh, préparer et puis la publicité comme c'est en ligne, ça aussi c'est autre chose. Ouais, ouais. Donc. Eh oui. Eh, cette activité, eh, le roi de la pastèque. Ce qui a fait de la difficulté, c'était lorsque j'ai exporté ça beaucoup. Si ça arrive à faire deux jours sans se vendre, là, ça arrive à exploser. donc, du hmm. coup, donc, il y a un défi là-dessus. C'est ça la difficulté que j'ai rencontrée, sur cette activité. Hmm. Ni mmh. difficulté ni le boss. Ah, difficulté, ça ne manque pas, ça ne manque pas. Pour un jeune entrepreneur qui y en a, à l'université, kuma yana karatu can dans les institut kuma yana harkar kasuwanci yana business problem sani mankafa wata ran sai ki gani kamar mutum yana cikin sal est concentré yana abin kuma harka kudi ya taso kalken tu sors. Ouais. Yani intel naga kai kayi wanga kaya yani ne yana nan mais tu veux son argent tu veux aussi la connaissance <laughs> tu es ah, obligé ben tu es obligé de lui dire oui kaya nan ouais de jongler entre les deux tu vois Maintenant, le client, c'est à toi de, créer genre une communication qui va le retenir. Souvent, juste après les cours, ou bien si le client est, pressé, il ne peut pas attendre de d'abandonner. <laughs> tu vois, ça aussi, c'est, on, cherche le cours. Ça aussi, c'est un problème. C'est, une difficulté. Mhm, ce, sont, ce sont le manque de, positionnement qui crée ce genre de problème-là. Parce que quand tu as voilà, même si tu es en cours, la personne peut passer à la boutique. Il y aura Vous voyez les problèmes. Les, euh, la plus grande difficulté, c'est ça. Avoir une, repère là où tu es, que tout le monde le sache, que voilà, c'est là que je suis. Donc, vous voyez, vous, pouvez même laisser quelqu'un et aller dans vos occupations. Par exemple, c'est comme ça que je fais avec mon restaurant. Je ne gère pas ça, hein. c'est quelqu'un qui gère ça. Hmm. Oui, moi je viens juste, je prends, je, on fait le compte et puis je sors je, je, je, pars. C'est comme ça. Ben voilà, mais. Dans, uh-huh. le ramadan, il y a, y a, aussi la chaleur. Un entrepreneur, souvent, hein. tu, tu, circules de trop, il y a un client, il, demande un produit, tu prends le produit, tu lui amènes ça, quelqu'un produit, Et le client te dit que comment produit Bayende, ça produit, alors que déjà vous avez conclu juste il va prendre le produit et te donner l'argent. Maintenant, dans ce, genre de situation, c'est comme s'il annule la commande et il t'a fait souffrir pour rien. Tu as supprimé pas mal de choses pour que le business puisse marcher, pour que le, client puisse prendre son produit et te donner l'argent. Et à la dernière minute, il te dit que bon, vraiment, lui, n'est plus intéressant. Tu vas tu es obligé de prendre le produit, le ramener encore, la boutique, tout ça c'est des difficultés souvent qu'on rencontre. Euh, voilà, on sait bien que tous ces défis vont pas vous bloquer. Vous semblez bien déterminé à gérer vos business et on vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Cette émission tire vers sa fin, mais avant de se dire au revoir, on va accueillir la chronique de Mr. Oli qui sera présentée par Mr. Oli et on se dit officiellement au revoir sur cette émission. Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la place des personnes handicapées dans le sport. Les Jeux olympiques 2024 se préparent avec acharnement. Au niveau du staff d'organisation, les fédérations, le travail bat son plein. Et cette année, il est constaté une mise en lumière particulière sur les personnes handicapées pratiquant des disciplines diverses. Le sport est une activité qui peut être pratiquée par tout le monde, quel que soit son handicap. Les personnes handicapées peuvent trouver dans le sport un moyen de s'exprimer et de se réaliser, ainsi qu'un moyen de promouvoir leur inclusion dans la société. C'est pourquoi les Jeux olympiques et paralympiques ont une grande importance pour les personnes en situation de C'est pourquoi les Jeux olympiques et paralympiques ont une grande importance pour les personnes handicapées. Les Jeux paralympiques ont été créés en 1960 à Rome en Italie, avec pour objectif de permettre aux athlètes en situation de handicap de participer aux compétitions de haut niveau, tout comme les Jeux olympiques. Depuis, ces compétitions ont pris de plus en plus d'importance et de visibilité, permettant ainsi de sensibiliser le grand public à la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société et dans le monde du sport. Les athlètes paralympiques ont la possibilité de concourir dans différents sports tels que l'athlétisme, la natation, le tennis de table, le basketball en fauteuil roulant, le handbike, entre autres, et même le surf. Les compétitions sont organisées selon les catégories en fonction des types de handicap afin d'assurer l'équité des compétitions. Si chez nous au Niger, le manque d'infrastructures, le manque de visibilité, le manque de sponsors freinent les ambitions des athlètes paralympiques, ces derniers s'entraînent également et aussi faire partie des meilleurs. Ces compétitions sont donc un moyen pour les athlètes en situation de handicap de prouver leurs capacités et leurs talents et de dépasser les préjugés et les stéréotypes qui peuvent exister à leur égard. Les athlètes paralympiques sont de véritables modèles de courage, de persévérance et de détermination. Leur participation aux Jeux paralympiques est pour nous une source d'inspiration. D'ici là, allons décrocher les étoiles. Merci bien Olivier, c'était la chronique de l'émission Tout ça la Fada. On va se dire au revoir avec nos chers invités, nos jeunes businessmen et businesswomen. Pendant Ramadan et après Ramadan, on va dai suna kokarin su don su ga dai wannan business kin da suka kansu abun hannun su to musu fatan Eh, sa'a su samu sa'a kuma abin da suke nema su same shi to lahin daɗi karewa wannan shirin na wadai na faransa hausa ya zo ƙarshe za ku ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na habibu garba ni sai in ce a sha ruwa lahiya